الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان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 amma amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. par la grâce subhanahu wa ta'ala et en ce jour béni de l'islam ce 17e jour du mois d'avril de l'année 2020 correspondant au 24e jour du mois de Shaban, ce mois qui précède le mois de Ramadan. Mois de Ramadan dont nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire assister son début, son milieu et sa fin. Et par la même grâce, nous nous trouvons, Inch'Allah, Inch'Allah, à une semaine près du début du mois de Ramadan bien des calendriers ont démontré que si Allah subhanahu le veut bien et qu'il nous le permette, nous allons démarrer le jeûne du mois de Ramadan de cette année 2020 et le vendredi prochain. C'est de coutume de constater que quand le début du mois de Ramadan sur un vendredi, eh bien, il y aura cinq vendredis dans lesquels nous allons gêner C'est peut-être un plus ou même un très grand plus et la fasse que cela soit ainsi. Par la même grâce, nous nous proposons de continuer afin de parachever le traitement de cette thématique rappelons à toute fin utile, nous sommes à notre septième donc, et, dernier entretien. Cette thématique que nous avons intitulée Bien connaître son Seigneur pour mieux l'adorer. Nous disons que toutes les louanges sont à Allah subhanahu wa Nous le louons, nous l'invoquons, nous l'évoquons et nous implorons son aide et son assistance qu'Allah subhanahu wa ta'ala alors nous préserve des mots de nos répréhensibles âmes car notre âme toute âme est incitatrice au mal l'âme est incitatrice du mal il a lieu toujours de dominer son âme sinon elle nous pousse à avoir des passions et les patients finissent par devenir des, sujets d'adoration. al ou Alors, et de nos répréhensibles actions, évidemment. Celui qu'Allah subhanahu guide, personne ne peut l'égarer. Mais celui qu'il égare, toi, moi, nous, eux, ils ou elles, ne lui trouveront jamais d'issue qu'Allah subhanahu wa nous en préserve. Nous témoignons comme Allah subhanahu a témoigné lui-même qu'il n'y a divinité que lui seul et sans associé. L'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, le transcendant, l'infiniment transcendant, celui dont la miséricorde embrasse toutes les choses. Allah dit rahmati mais nous témoignons aussi Allah subhanahu wa ta'ala suffit comme témoin que le prophète Mohammed paix et bénédiction d'Allah soit sur lui et son messager envoyé par son Seigneur pour être témoin annonciateur avertisseur et appelant les gens à Allah subhanahu wa ta'ala par sa permission et comme une lampe éclairante il ne prononce, lui, le prophète Mohammed alayhi wa sallam, rien qui soit sous l'effet de la passion ou pour son propre vouloir. Tout ce qu'il dit relève d'une inspiration à travers l'archange Gabriel alayhi salam venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est appuyé dans sa mission d'un livre un livre réputé incorruptible, infalsifiable, inimitable. Le livre dont le faux ne saurait atteindre ni par devant ni par derrière. Et ce livre s'est avéré inaccessible à l'erreur, car émanant du sage avec un S majuscule, digne de louange, Allah subhanahu Quiconque choisit ce livre pour s'exprimer a dit la vérité même. Celui qui le lit reçoit beaucoup de hasanat, beaucoup de récompenses. Car selon la tradition prophétique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné la garantie que quiconque récite le Coran, chaque lettre récitée correspond à une hasanat et encore pour attirer notre attention et nous susciter vers cette lecture le prophète sallallahu alayhi wa a ajouté bi donc chaque lettre qu'on lit correspond à une récompense à un point pour donner un exemple et le prophète dit, ce point, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, sera multiplié par 10, conformément à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, Manja Hasanati Quiconque accomplit une bonne œuvre, Allah, dans sa générosité infinie, lui accorde le coefficient multiplicateur de 10. Alors, Ceci, dans le Coran, nous savons que le Coran contient 329 156 lettres. 329 156. Vous le parcourez, multipliez les 3926 par 10, vous vous trouverez facilement avec plus de 3 millions de hasanat inscrits dans votre registre de l'au-delà dans votre carnet de d'épargne le véritable carnet dont il faut se soucier, pas le carnet ici d'épargne en banque, où vous allez, si vous ne l'épuisez pas, vous allez le laisser, mais vous n'irez jamais avec un franc dans l'au-delà. Donc il y a lieu de s'occuper de temps en temps de ce carnet d'épargne dans l'au-delà. Alors, celui qui le lit aura cette récompense bon Dieu, c'est gratuit. Voilà un moyen d'avoir beaucoup de hasanat. Mais encore faut-il y avoir accès, c'est-à-dire avoir accès à la lecture du Coran. Je vais me permettre de faire du mal, mais c'est pour faire du bien. Il y a impératif, il y a un impératif que d'aller apprendre à lire le Coran c'est même une question d'éthique pour le croyant. C'est une question de bon sens. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de gens ont passé leur vie derrière des études qui le plus souvent les dévient même de cette voie qui mène directement au paradis ou mais qui ne sont pas capables de vous lire correctement la Fatiha, le prologue cette phrase. Cela, ce n'est pas juste. Il y a une Chinoise qui s'est convertie à l'islam. Euh, parmi les, Chinoises qui viennent aider les gens, elle a fini par apprendre, elle, s'est convertie en islam et elle a appris à, à lire le Coran parce qu'elle était étonnée de constater que les femmes avec qui elle travaille, elle est allée jusqu'à leur dire, mais vous êtes musulmane et vous ne savez pas lire le Coran. celui qui juge au moyen de ce livre-là, le Coran fait preuve d'équité et de justice. Par contre, tous ceux qui jugent, qui ne jugent pas au moyen de ce livre, font preuve de mécréance ou d'injustice ou de perversité. Et celui qui appelle les gens avec ce livre les a sûrement guidés vers la direction qui mène à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'agrément d'Allah vous garantit quoi Le paradis. Qu'Allah fasse que nous soyons de ceux-là qui sont sur cette voie-là. Par conséquent, chers frères et chers sœurs, la meilleure parole, c'est bien le livre d'Allah wa ta'ala. Et, et que la meilleure guidée est bien celle que le prophète Mohammed nous a indiquée. Et que la pire des choses est l'introduction d'éléments nouveaux dans cette religion et que toute introduction d'éléments nouveaux constitue une innovation et que toute innovation n'est que perdition et que toute perdition assurément conduira son auteur en enfer qu'Allah nous en préserve que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa soit sur lui sur celui qu'il a choisi comme miséricorde pour toutes les créatures ainsi qu'à sa famille, à ses nobles compagnons et à tous ceux qui les auront suivis avec foi jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala héritera des cieux et de la terre. Amen. Chers frères et sœurs, nous voici comme nous le disions à notre septième entretien autour de la thématique Bien connaître son Seigneur pour mieux l'adorer, tiré de ce sublime hadith qu'au-dessus où Allah subhanahu wa ta'ala dit par la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam le véritable problème aujourd'hui de l'humanité c'est que c'est faux nous ne connaissons pas Allah nous avons simplement des notions euh, d'Allah pour les croyants et, malheureusement même à l'intérieur de ceux qui croient nous avons la notion nous acceptons euh, l'existence d'Allah subhanahu mais nous ne le connaissons pas et c'est la même chose. du paradis et de l'enfer, nous n'avons que des notions. Wallahi. Wallahi, si nous savons ce que c'est que l'enfer. <laughs> si nous savons ce que c'est que l'enfer. Ce qui est dit de l'enfer dans le Coran et dans les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un temps soit peu que nous y croyons fermement alors nous n'allons jamais nous aventurer vers cette plaque qui nous indique l'enfer. Aujourd'hui, on brave, on défie qui Allah subhanahu wa ta'ala qui, a dit, qui a créé l'enfer. Si on ne croit pas à l'enfer, eh on ne peut pas savoir ce que c'est. Et c'est la même chose aussi pour ce qui est de l'enfer. Nous avons des récits. Ah, il y a des belles choses à, l'intérieur du paradis. Il y a des fourris, il y a de la viande, il y a tout ceci. C'est seulement ces vagues notions qui nous tournent autour de la tête pour ceux qui y croient. Mais qu'est-ce que réellement nous faisons pour y accéder Tout part d'ici. C'est ici notre champ. Nous allons s'aimer, nous allons euh, cultiver, nous allons labourer, mais nous, allons trouver les récoltes dans l'au-delà. Alors, nous avons des notions euh, d'Allah, mais nous ne connaissons parce que si, si nous créons Allah aujourd'hui, très souvent, euh, nous avons pris comme exemple, il y a quelques 6-7 mois ou un peu plus, en tout cas maintenant où le président de la ville de Niamey a décidé que tout conducteur de véhicule doit, au samedi prochain, utiliser la ceinture de sécurité. Il a donné l'ordre il y a deux ou trois jours avant. Ah bon Dieu. Pour les véhicules qui n'étaient pas équipés, parce qu'on ne savait même pas que le véhicule n'était pas équipé d'une ceinture de sécurité, pour cela, ils se sont arrangés en ces deux ou trois jours à trouver une ceinture. Pour ceux dont le véhicule est déjà équipé, ils se sont permis de nettoyer parce que pour ne pas se salir. Mais dites-vous bien que 90% des conducteurs de véhicules ici dans la ville de Niamey, ils sont ceinturés. Bon gré, bon gré, malgré. Je vous assure, chers frères et sœurs, si nous croyons si nous craignons Allah, de la même façon que nous nous sommes exécutés à cet ordre de quelqu'un qui, peut-être demain il sera pas, demain il sera sûrement, Mais pas là, mais la loi va rester. Si nous craignons Allah, comme nous avons créé cette euh, euh, euh, mesure-là, mais bon Dieu, les choses allaient être agréables. Mais c'est que nous n'avons seulement que, quand Allah dit, ne consommez pas de l'alcool, c'est en ce moment que certains... Et c'est de la nature également de l'être humain. Le plus souvent, plus vous l'empêchez de faire ça, plus c'est ça que sa passion le pousse à... Comme un petit enfant. On commence depuis le petit, le, petit âge. Parce que l'enfant, si vous voulez l'empêcher d'aller toucher à tel endroit, c'est comme s'il y a une force magnétique qui le tire vers ça. Alors, d'Allah, du paradis et de l'enfer, nous n'avons que des notions. Alors, et le départ sera certain. Nous allons tous quitter et on nous demandera des comptes. Alors nous avons le devoir de savoir qu'Allah subhanahu s'est donné les plus beaux attributs qui sont des attributs de qualité, des attributs de perfection et des attributs de fonction. Nul ne saurait attribuer à Allah subhanahu un nom que lui-même ne s'est donné Et voici en ce temps ce que le Coran nous rappelle. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ولله الأسماء الحسنى à Allah appartient les plus beaux noms fada'ou biha alors invoquez-le avec ces noms-là وذروا الذين et laissez Allazina fi c'est là qui profane les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que les Arabes, ils ont transformé Allah par Lata, Al-Aziz, Al-Uzza, Al-Mannanu, Al-Manata. Allah dit laissez tomber ces appellations euh, des ignorants et invoquez Allah subhanahu wa ta'ala à partir de ces noms qu'il s'est lui-même attribué sayajzawna ma kanu ya'malun ceux-là qui profanent le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala eh bien ils seront rétribués par rapport à ce qu'ils ont accompli dans un autre verset Allah subhanahu wa ta'ala nous laisse la liberté de choix dans le cadre défini quant au nom que nous devons utiliser pour l'invoquer Allah a dit ulud Allah, awud rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna wala tajhar bi salatika wala takhafid biha wabtagi bayna dhalika sabila ulud Allah awdu invoquer le nom d'Allah awdu Ar-Rahman rahman falahu asma'ul hasana sachez que Allah subhanahu wa ta'ala a les et ne récite pas ta prière à très haute voix, voilà, tu euh, et ne la baisse pas trop non plus. Cherche un espace intermédiaire dans la récitation du Coran. Selon Abu Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inna lillahi tis'an wa tis'ina asman mi'atun illa wahidan. Man ahasaha jannah Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'Allah subhanahu wa ta'ala a 99 noms, sans moins un nom. Man ahasaha. C'est lui qui les aurait appris. Est-ce que cela veut dire parce que j'ai appris les asma'ullah al-husna, dakhaltu jannah rentrera, c'est lui donc qui les aura appris, pour la traduction, d'Akhal al-Jannah, il rentrera au paradis. Est-ce qu'à dire Parce que tout simplement, j'ai appris les 99 noms, et eh bien le paradis m'est garanti. Euh, quand tout simplement j'ai dit, euh, Wallahi al-Asma al-Khusana, Fada Ubaho, la al zila allah al rahman al rahim al maluk al qudus as salam al mumin al muhaymin al aziz al jabbar المتكبر الخالق البار المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتيف العليم القابض الباسط الخافت الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي النوسي الموضوع المعيد المحيي المميت الحي القيم الواجد الماجد الواحد الأحد الأحد الفرد السمد القادر المقدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم الأفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الدار النافع النور الهادي الباقي الوارث الرشيد الصبور parce que j'ai appris ça parce que c'est une garantie pour moi d'aller en affaire, c'est parce que le texte me dit. Non. Il faudrait que chaque attribut subhanahu wa ta'ala qui est un attribut fonctionnel et permanent. Parce que nous l'avons vu, et nous le verrons tout à l'heure d'ailleurs, ce que nous devons savoir, c'est que tous ces mots sont des attributs fonctionnels et permanents. Et, n'est-ce pas, vous ne verrez jamais de dysfonctionnement ou de faillite dans leur fonctionnalité. D'une part, ça c'est une garantie. Allah s'est fait appeler Ar-Rahman. La Rahman d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est permanente. Allah a dit al gafur il pardonne. Al-Ghaffar, il n'arrête pas de, pardonner. Cela est permanent. Allah ne dit pas Je suis fatigué, vous avez. Vous n'arrêtez pas de. Vous ne cessez pas de transgresser mes lois. Bon, à partir d'aujourd'hui, je mets fin à cette possibilité que je vous donne de recevoir les dossiers d'absolution de, de vos péchés. Non Ces attributs sont fonctionnels et permanents jusqu'à la fin des temps parce qu'ils relèvent des attributs divins. Alors, parce que j'ai appris ça, parce que je vais au paradis. Je me je suis permis de faire tout ce que je veux. Ce n'est pas comme cela. Il faudrait que chaque nom, chaque nom d'Allah, chaque attribut, soit considéré. Il faut y croire que c'est un attribut d'Allah et que c'est permanent. Quand Allah dit qu'il va pardonner, tu ne peux pas dire il y a quelqu'un qui s'est permis de dire Allah te Allah l'a interpellé en disant C'est moi qui t'ai dit que je ne lui pardonne pas. Inna Allah jami'an. Innahu rahim. Donc, l'ignorance de ces attributs conduit trop souvent au shirk, c'est-à-dire à, la l'associationnisme à travers lequel on se fend de l'idée qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne puisse subvenir à tous les besoins de ses créatures et qu'il faille alors recourir à la compétence d'autres créatures. C'est ça le fait. Quand Allah subhanahu s'est appelé Al-Qadir, c'est-à-dire le capable, Allah dit Inna Allah shay'in Allah est capable en toutes choses. Celui qui il est convaincu que Allah est capable en toutes choses et que s'il doit recourir à quoi, à quoi que ce soit, d'abord il le réclame auprès de subhanahu wa ta'ala. Le fait d'ignorer tout cela fait qu'on associe. Alors, si on s'imagine qu'il y a une autre puissance, en dehors de c'est ça l'associationnisme. S'imaginer que, Allah ne peut pas, Alors, Allah a dit, وَمَا Allah haqa حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ ma anzalallahu ala اللَّهُ min shayin ma haka ils n'ont pas en faisant comme ça les associationnistes n'ont pas n'ont pas ils n'ont pas connu Allah subhanahu wa ta'ala ils ne connaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala c'est pourquoi ils veulent lui adjoindre quelques divinités en s'imaginant que bon, nous fois encore, Allah ne suffit pas. C'est ça l'associationnisme. nous l'avons vu que tout lui est subordonné, de degré ou de force. C'est-à-dire qu'il a tout créé, et comme nous l'avons dit, tout tout seul, et qu'il administre tout tout seul, et qu'il a tout pourvu, qu'il gouverne tout tout seul et gèle tout tout seul, comment alors Pourrait-on se permettre de diviniser une créature qui dépend de lui Ça, c'est le de, de shirk. S'imaginer qu'à côté d'Allah euh, subhanahu on peut, adjoindre, une autre créature. Le croyant, le vrai, doit s'abstenir d'accorder à Allah subhanahu wa ta'ala des noms qu'il ne s'est pas donnés lui-même il doit éviter de les interpréter, car cela reviendrait à les dépouiller de leur substance et se garder de faire de l'anthropomorphisme ce qui n'est pas admis en islam. Allah voit et entend, mais pas avec des yeux et des oreilles à la manière des humains. C'est ce genre d'interprétation qu'il faille éviter. Quand Allah dit à Samir, al-Basir, il voit, il entend, mais n'extraposez pas cela euh, à, la dimension de nous autres, les créatures humaines. Nous entendons avec des oreilles, nous, nous, nous, regardons avec des yeux. Moussa, salam, qui a l'honneur d'avoir eu plusieurs entretiens, Allah lui a accordé plusieurs audiences. Au cours de ces audiences, il dit que, tout, son corps est devenu oreille. Il entend, il ne sait pas d'où ça vient. Et c'est justement ce qu'il a poussé, nous l'avons vu. Euh, cela a poussé sa curiosité à, avoir Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons vu les semaines dernières euh, que l'ici-bas, ici on ne peut pas voir Allah subhanahu wa ta'ala. en son temps, nous nous sommes beaucoup apaisantis par rapport à cela. Alors, Allons-y faire la découverte de ces attributs et de leur compréhension. Mais là, une fois encore, il faut le répéter, il ne nous pourra pas être possible de passer en revue tous les 99, tous les 99 noms. Euh, c'est pourquoi nous nous proposons d'en trier quelques-uns à titre illustratif. Si nous prenons le, si nous prenons Allahu, Allahu c'est pas un attribut, c'est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu, c'est le nom d'Allah. Et des curieux euh, se sont dit, pour démontrer que c'est le nom d'Allah subhanahu Allahu, alif, deux lames et, un, et un haun. Ils disent, si vous enlevez le alif, qu'est-ce que vous lisez Lillahi. Ça revient toujours pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous enlevez si vous enlevez le alif, nous avons dit, vous lisez lillahi, encore ça reste toujours pour Allah. Vous enlevez le premier lam, qu'est-ce qui vous reste Lahu, lahu pour qui Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous enlevez le dernier L, le deuxième, je veux dire, il va vous rester Huwa, Hu, Huwa Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le nom propre d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui signifie la divinité avec un D majuscule, avec un I majuscule, avec un V majuscule, avec un I majuscule, avec un N majuscule, avec un I majuscule, avec un T majuscule, avec un E majuscule. La divinité. Le créateur de monde et de qui découlent tous ses attributs. C'est de ce nom-là que découlent tous les attributs les 99 attributs d'Allah subhanahu wa Nous allons commencer par Ar-Rahman, Ar-Rahman qui veut dire le miséricordieux par essence. C'est-à-dire celui qui dispense ses biens sans compter à toutes ses créatures. Allah a dit, c'est-à-dire ici-bas, il dispense sa miséricorde aux croyants et à ceux qui ne croient pas et à ceux qui n'y croient même pas en son existence, sans distinction aucune. Allah fait tomber la pluie euh, dans le champ d'un croyant. elle a fait tomber la pluie dans le champ d'un mécréant, dans le champ d'un associateur, dans le champ d'un. Comment il s'appelle Qui ne croit même pas en l'existence la subhanahu wa ta'ala. Ici-bas, à travers cet attribut à rahman c'est de ce que nous bénéficions tous aujourd'hui, parce que vous êtes croyants, vous allez empêcher aux non-croyants de bénéficier de la clarté du soleil. Non, vous n'avez pas le droit. Parce que Rahman a dit, c'est comme ça que je veux. Vous allez empêcher à ceux qui ne croient pas de... Non, l'oxygène, non, non. C'est ça, Rahman. Ici, sans distinction aucune, il distribue sa Rahman ses bienfaits, n'est-ce pas, sa miséricorde ici-bas Allah a dit Rahamati was'at kulli shay'in. Ma rahama eh bien dans le Siba elle, elle, touche elle touche tout le monde. Tout. Tout le règne animal, végétal, euh, euh, euh, humain, etc., etc., sans distinction aucune. C'est ce que ça veut dire Rahmati was'at kulli shay'in. Mais le, le verset et nous allons euh, donc euh, euh, peut-être mettre en avance un peu Ar-Rahman que nous allons voir tout à l'heure, n'est-ce pas Et donc, oui, donc Ar-Rahim, Ar-Rahim, ce verset comporte les deux Rahman Allah subhanahu wa ta'ala dit Wasi'ati rahmat kulli shay'in فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ ladzina yattaquna yutuna zakata wal hum bi ayatina yu'minun saisissez le sens de la suite rahmati wasat kulli shay'in le débat est clos ici tout le monde en bénéficie mais il dit face à sa'aktubuha je m'inscrirai lillazina yattaqun nous voyons qu'il y a une autre Rahma, à travers ar-rahim aktubuha je l'inscrirai lillazina yattaquna à ceux-là qui craignent où Nous, voyons donc la différence entre le premier et, celle d'ici. Ici, cette rahma dans le delà à Rahim, elle est sélective. Elle ne sera transcrite dans l'au-delà qu'à ceux qui craignent Allah donc qui, font des œuvres. Hum et par rapport à nos signes, ils y croient. Voilà la différence entre rahman et rahim eh, le miséricordieux, alors Arahim, alors là par excellence, c'est lui qui dispense les faveurs dans l'au-delà à seulement ceux qui le méritent. Et ces faveurs dans l'au-delà ne sont autres que quoi dans l'au-delà, dès qu'on parle de l'arahma de l'au-delà, ce n'est rien d'autre que le paradis. Le paradis qui a des niveaux, n'est-ce pas Il y a un rez-de-chaussée, un premier étage et au top nous avons le paradis Al-Firdaus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si vous voulez demander le paradis de Allah demandez le top, c'est-à-dire Al-Firdaus afin de mériter euh, même si on est au rez-de-chaussée, alhamdulillah, on est au paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons les occupants. Amen Alors, et nous disons, euh, et dès le Siba, Allah a fait en sorte que ceux qui en bénéficieront de ces bienfaits du paradis, ils œuvrent dans cette voie. Et par l'effet de sa miséricorde, il les a éloignés de la voie de Satan. Allah a wa dit alaykum Satan a comme principal désir d'embarquer le maximum des fils d'Adam dans l'enfer. Lui, c'est qu'il a déjà son siège. Il le sait très bien. Et compte tenu du contentieux qu'il y a entre lui et notre père Adam, et qu'il a demandé la permission à Allah subhanahu tout ça c'est un échafaudage qu'Allah subhanahu a, fait. Satan va embarquer beaucoup de fils d'Adam qu'Allah soit qu'Allah fasse que nous sommes bas de cela. Alors, Allah dit, ne serait-ce la grâce d'Allah subhanahu wa eh bien, on allait dévier. Mais ceux qui seront admis au paradis, eh bien, ce sont ceux-là qui, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit d'ailleurs, Al-Kayyisu mandana nafsahu wa amala lima ba'd al-maut. L'intelligent, les soucis de, de, de son âme dans l'au-delà. Celui qui ne s'est pas laissé emporté par la beauté de ce bas monde, qui s'imagine que ce bas monde est une fin en soi. Il, faut vivre son monde ici et retourner pour joindre l'enfer. Alors, l'intelligent, le conscient, c'est celui qui de temps en temps, il établit son, son petit bilan à mi-chemin. Euh, le vrai courant doit avoir un programme annuel, semestriel, trimestriel, mensuel, hebdomadaire et journalier. On ne peut pas évoluer comme ça sans programme. On ne peut en rien être compétent si on n'a pas de programme. Alors, le vrai croyant, c'est celui qui se soucie de son au-delà. Euh, pas qui cherche à embellir seulement sa vie d'ici-bas. Euh, ce bâton n'est qu'une puissance qui vous donne de l'effervescence et qui, qui fait qui vous fait oublier qu'il y a de là, au-delà, un compte à rendre, qu'Allah subhanahu la face que nous en prenions conscience. Donc, la miséricorde de subhanahu wa est immense et la méconnaissance euh, entraîne vers la recherche d'autres acteurs. Si nous prenons le nom Al-Malik, le roi, c'est lui qui agit dans son royaume comme il veut et dans l'administration de ce royaume, il n'associe personne car il est le seul détenteur du pouvoir. Cependant, il attribue, il n'attribue pas son pouvoir, mais le symbole du pouvoir à qui il veut, ici-bas et de façon souveraine. Allah n'a pas dit Malik al-Mulk. Tout le monde comme un tachau. Votre zone comme un mandachau. Votre izumantachau. Votre zimmantachau. Biédical khair inna ka ala kulishan kadir. Allah est le détenteur du pouvoir absolu, c'est-à-dire le pouvoir qui ne craint ni un coup d'État, ni les résultats des urnes, ni une insurrection populaire. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui détient ce genre de pouvoir. Dans son bon vouloir, tout le monde il donne les symboles du pouvoir avec le pouvoir Allah subhanahu wa ta'ala est, désigné par un P majuscule. Les autres pouvoirs, c'est des petits P afin de voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est qu'une simple épreuve tout le monde comment Allah il donne le pouvoir à qui il veut. Donc quand on voyez quelqu'un détenir le pouvoir, accepter que c'est Allah qui l'a. C'est pas parce qu'il est le plus fort, le plus machin, le plus intelligent, le plus, le plus, le plus. C'est de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Laissez-le le jour où il rendra compte, vous ne serez pas interpellé. Donc il donne le pouvoir à qui il veut, il le retire de qui il veut. C'est un peu l'exemple de, nos chafferies traditionnelles pour être pratique. La chafferie, elle est là. Elle n'est pas personnifiée, elle n'est pas personnelle. C'est-à-dire aujourd'hui, tel chef, c'est c'est fini, il n'y a plus de chef. Là, la chefferie, elle est là, et on n'hérite pas la chefferie. On peut hériter les biens du chef, euh, tout ce qu'il a laissé, mais la chefferie, on ne l'hérite pas. On ne dit pas, bon, aujourd'hui le chef est mort, on amène, on amène tous ses fils, on va grignoter là, ce n'est pas comme cela. On va choisir un qui sera nommé chef, donc la chefferie, il est là, il va s'asseoir sur la, chaise hein, ou le fauteuil. Et c'est fini, lui aussi, il va passer, un autre viendra. Donc la, la c'est comme euh, ce fauteuil-là qui est là, qui se fait euh, remplacer euh, de temps en temps par les par individus. Donc, il donne le pouvoir à qui il veut, il le retire à qui il veut. Tout simplement. Il élève qui il veut, il rabaisse qui il veut. Ça, c'est Allah. Fa'alil le Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. La On ne lui pose pas de questions. Pourquoi Pourquoi il a fait ceci hum Mais tout le monde, tout le monde fera l'objet d'un interrogatoire. Alors mon frère, ma chère, sommes-nous prêts à répondre de tous nos actes Il y a des moments où nous fautons, où nous transgressons expressément les lois de la c'est C'est qu'un croyant ne fera pas, il peut être emporté par une cité Mais de bon gré, le vrai croyant ne transgresse pas la, la voie de subhanahu Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit eh, que le vrai croyant ne fornique pas. Non, il faut qu'on lui enlève L'habit de la foi et il va passer à l'acte. Certains ont dit non, non, non, ce n'est pas comme ça. Hatta, le hatta veut simplement dire jusqu'à ce qu'il arrête de forniquer. Certains ont dit quand il va forniquer, on lui enlève la, robe de la foi. La hum Un croyant ne peut pas commettre de la fornication. Et le hatta la veut dire jusqu'à ce qu'il arrête. S'il arrête complètement, alors là, sa foi évidemment, elle lui sera euh, ramenée vers les qu'Allah nous en préserve. Il faut noter que l'exercice de ce pouvoir, de cette autorité-là, eh bien, s'exerce sous la surveillance du maître absolu. Et chaque détenteur, nous parlons de ceux à qui il a accordé donc le pouvoir, euh, et chaque détenteur aura à rendre compte de ses actions c'est à travers cet attribut qu'Allah administre tout le cosmos. Al-Malik. Allah a dit Lillahi mulku samawat wal ardi wallahu ala kulli shay'in qadir. C'est à Allah subhanahu wa ta'ala qu'appartient l'administration de cieux et de la terre et Allah est capable en toutes choses. Nous allons prendre deux autres Non, Al-Khaliq qui s'apparente al-Bari'u. Al-Khaliq, c'est le créateur, celui qui a amené à l'existence, à l'existence toutes les choses, toutes les créatures sans origine précédente. Et qui fixe leur destinée et leur proportion. Al-Bari'u est celui qui a créé à partir de néant, c'est-à-dire sans modèle. C'est le même attribut de al ou Allah a créé l'être humain sous cette forme qu'il lui a accordée. Allah subhanahu wa n'a pas voué un catalogue pour dire Ah, voilà comment l'être, humain est, je vais créer. Non. Tout ce que Allah subhanahu wa a créé vient de son pouvoir, de son omniscience, de son omnipotence. Allah ne regarde pas notre calendrier ou catalogue pour, pour, pour, pour créer. Et c'est ça, Al-Bariou. Et c'est lui qui a créé à partir de lui, c'est-à-dire sans modèle préétabli. Quand nous prenons le nom al masawirou le dessinateur, le photographe. Non, pas le photographe, c'est différent. Le photographe, il photographie une image déjà existante. Mais Al-Musawwir, c'est celui qui donne des formes, selon les statistiques autorisées. Donc, Al-Musawwir, c'est celui qui donne des images, celui qui donne à toute chose une image, la différenciant des autres, de même que les êtres humains, les animaux. Nous l'avions vu, et que euh, dans le règne animal, il y a des milliards et des milliards d'espèces créées, mais comme nous l'avons encore dit précédemment, Allah n'a jamais créé deux choses identiques. On reconnaît sa vache, son chameau, sa poule, son coq, son âne, etc. etc. Un des milliers d'espèces. Et nous avons également vu que dans le règne végétal, c'est la même chose. Là où nous étions attardés, c'était dans le règne humain, où nous avons dit, selon les statistiques autorisées aujourd'hui par les Nations Unies, oui. il paraît nous sommes aux environs de 6 milliards et quelques individus. Et on estime que c'est déjà trop. Comme si c'est toi qui les nourris. Oui, c'est trop, il faut qu'on diminue. En quoi ça te dérange Qui te nourrit pour dire je suis fatigué matin, peut-être nous n'aurons pas le temps, on n'a pas le temps. On verra que c'est c'est Allah qui pourvoit à tous les besoins de ces créatures. Ar-Razab, c'est encore un autre nom attribué d'Allah subhanahu wa ta'ala qui pourvoit à tous les besoins. وما من دابة في الأرض إلا yarzuquha wa رزقها ويعلم wa ومستودعها kullun fi كتاب mubin. Il n'y a pas une bête dont Allah subhanahu wa ta'ala ne pourvoit pas assez. C'est pas, c'est pas la FAO qui nous nourrit, c'est pas, non, c'est Allah qui nous nourrit. Imaginez qu'Allah subhanahu wa ta'ala ferme les robinets du ciel. Comment allons-nous faire Sans même passer à cela, aujourd'hui, eh, un petit événement vient ébranler le monde. Peut-être que nous aurons quelques deux minutes pour en parler à la fin. Donc c'est celui, nous l'avons vu que les 6 milliards et demi d'individus vivant sur Terre et, et, ceux qui sont passés, les milliards qui sont passés, ainsi que les milliards à venir qui viendront, donc chacun Chacun était, et sera différent d'un autre. Ça, c'est ça, ça Al-Musawwir. C'est lui qui donne les formes. Et en son temps, nous avons dit que Allah subhanahu wa ta'ala, euh, euh, euh, comment on appelle ça euh, physiologiquement pour reconnaître quelqu'un, c'est à partir de sa tête. La tête est composée de quoi D'un front, d'un nez, deux yeux, d'une bouche, des joues, deux oreilles. Et c'est ces éléments, comme nous l'avions dit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala façonne. Il façonne, il façonne, il moussavir, il, il dessine, il dessine pour en faire actuellement 6 milliards d'individus c'est vrai, nous avons également évoqué le problème des jumeaux triplés et quadruplés, s'ils existent. Mais ils ne font que trop se ressembler, ils ne sont pas identiques. Et en Santon, nous avons pris l'exemple de les mettre à table, leur donner une dissertation. Vous verrez qu'ils ne vous produiront pas les mêmes éléments. Ils ne vont pas développer la thématique tous ensemble de la même façon. Ce n'est pas possible. Ah, c'est à travers ce attribut-là que chacun a sa. Et, et alors, à l'intérieur, nous avons vu de chaque individu, chacun a sa voix. Subhanallah. Il y a 6 milliards de voix différentes. Vous connaissez quelqu'un, fermez les yeux, s'il ouvre, s'il parle, vous allez savoir que c'est bien lui. Nous, nous avons dit, même à travers la démarche des gens, on peut reconnaître quelqu'un de loin. Ça, c'est ça, Allah subhanahu wa ta'ala. Qui peut organiser tout ça Pourquoi nous sommes chacun différent de l'autre Et si nous avons compris cette différenciation, c'est Allah qui a voulu. Alors comment veux-tu que je, que je raisonne ou que je réfléchisse ou que je pense comme tu penses Et tu me veux parce que je ne veux pas comme ça. De grâce, je ne t'en voudrais pas si tu ne raisonnes pas, si tu ne penses pas, si tu ne vois pas comme je vois. L'essentiel est de se mettre, nous avons dit qu'il y a, il y a trois vérités selon le sage de Vandiagara, mais il y a une seule vérité avec un V majuscule ma vérité, il y ta vérité et il la vérité avec un V majuscule. Si je me cantonne à ma vérité, je ne la confonds pas à la vérité, je ne peux pas m'assurer que j'ai la vérité. Le plus souvent, en cas de conflit, c'est ce qui se passe. Je me cantonne à ma vérité. Je ne la confonds pas à la vérité. Tu fais la même chose et le plus souvent, c'est ce qui fait qu'on contourne la vérité. Et là, on contourne la vérité et on se met à se connaître, à se taper. Parce que tout simplement, nous avons refusé d'être différents. Or, Allah nous a créés différents. Il ne faut pas en vouloir à quelqu'un s'il n'est pas d'accord avec toi. Et, ça, c'est. Il, faut un entraînement, il faut, il faut apprendre à accepter que c'est comme ça. Mais, il y a des gens, euh, vous touchez leur petit bouton, et eh bien, ça va sauter sur vous. Subhanallah. Alors, euh, ainsi que ceux qui viendront, chacun est différent de l'autre. Et c'est l'action de cet attribut qui fait force de loi, c'est-à-dire Al-Musawwir. Nous avons évoqué tout à l'heure ar Razab, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui pourvoit à tous nos besoins. C'est son nom que nous buvons, c'est son oxygène que nous respirons, c'est sa nourriture que nous mangeons. Alors le vrai croyant, l'objectif qu'il doit avoir, une fois qu'il se nourrit de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, c'est de s'imaginer que va, cela va lui donner la force, la force d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il nous a créé, il nous l'a rappelé en mains endroits, les génies et nous autres, nous nous sommes créés que pour que, pour que nous adorions Allah subhanahu wa ta'ala tous. Allah n'a pas de besoin. Allah n'a pas de problème. Il n'a pas commencé un chantier qu'il n'a pas pu parachever et qu'il a besoin de notre aide. Mais Allah s'est fait appeler le meilleur des pourvoyeurs. C'est ainsi, chers frères et sœurs, que alors nous voyons ces attributs. Nous l'avons dit, nous ne pouvons pas euh, évoquer tous les tous les attributs de subhanahu wa Nous n'avions donné que euh, quelques exemples. Nous osons croire à la fin de ce septième entretien sur cette thématique, bien connaître son Seigneur pour mieux l'adorer. Nous osons croire qu'un certain nombre d'éléments qui ne sont pas exhaustifs ont été plus ou moins rappelés et que par la grâce de subhanahu wa ta'ala désormais que nous ayons conscience que nous devons connaître qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit anta Apprenez à me connaître avant même de commencer à m'adorer. Il dit ta'arifuni. Si vous ne me connaissez pas, Comment allez-vous m'adorer et nous savons, comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous ne sommes créés que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un impératif. Nous devons connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons connaître aussi, c'est-à-dire quitter cette idée saugrenue ou superficielle de l'enfer. Des, des, signes cliniques ici-bas euh, nous sont offerts. En ce qui concerne l'enfer, il y a le fait qui est là nous ne pouvons pas rester au feu d'ici-bas. Non, non, nous ne pouvons pas. Ça nous donne au moins, ne serait-ce que euh, si le, feu de l'enfer est aussi brûlant que celui d'ici, n'est-ce pas une raison de chercher à l'éviter dans l'au-delà Puisque ici-bas, nous ne sommes pas en mesure de le supporter. Concernant le paradis, ben oui, on voit des gens qui sont à l'aise dans ce bas monde, à construire des châteaux, on roule dans des grosses cylindrées climatisées, vitres teintées, etc. On s'imagine euh, qu'on est heureux, mais ce n'est pas vrai, mon cher. Le bonheur absolu n'existe pas sur Terre, nous l'avons dit. Le bonheur absolu n'existe pas ici-bas. Il n'est que relatif. Vous allez voir quelqu'un dans les conditions que nous venons de citer, allez-y, interrogez sa conscience, vous verrez qu'il y a quelque chose qui le dérange. S'il les bien sont mal acquis, de temps en temps, il va se dire, mais comment je vais rembourser cela dans l'au-delà Parce que, voilà dans l'au-delà, chacun remboursera la dette qu'il a prise ici. Pourquoi on l'appelle Yom Din C'est-à-dire le jour du règlement des comptes. Le jour de règlement, le jour où on va solder les comptes. C'est tout simplement ce que ça veut dire. D'abord, verticalement, nous l'avons dit. C'est-à-dire, par rapport aux transgressions de la l'Asmanotala, combien nous nous sommes retournés par là pour lui demander pardon Et il est là, lui, il attend qu'on demande. Combien de fois nous nous étions abstraits de le faire Et le jour-là, alors, il va nous le rappeler. En ce qui concerne les règlements des comptes euh, euh, verticaux, eh bien, ma foi, vous avez spolié les droits de quelqu'un, mais vous allez les lui rembourser dans le delà et bien des gens s'imaginent que les biens de l'État du Trésor n'appartiennent à personne. Il y a un bien qui n'appartient pas à quelqu'un. Subhanallah. Wallahi, craignons Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah a dit Faman ya'amal mithqala dharratin khairan yarahu. ya'amal mithqala dharratin sharran yarahu. Ne serait-ce que de la grandeur d'un atome ou d'un grain de sévéné, un bien accompli ici-bas, et eh bien on le retrouvera là-bas enregistré la, justice veut que même si vous accomplissez une action à mal, aussi petite mais que vous, la retrouvez. C'est ça, là. le jour-là, c'est Allah qui sera. Nous n'arrêtons jamais de le répéter. Al-Hakim. C'est le juge avec un J majuscule qui jugera le juge le jour du jugement sans appel. C'est Allah qui sera le juge. Même ici, il y a des juges incorruptibles. Il y en a. Le prophète a dit il y a trois juges deux iront en enfer, un ira au paradis. Il faut qu'on le leur rappelle de temps en temps. Ils n'ont qu'à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le jour-là, c'est Allah qui va juger toutes ces affaires-là. Toutes ces affaires qui sont ou mal jugées ou qui étaient pendantes et que intervient la mort. Tout ce jour-là, Allah va dépoussiérer ces, ces, ces dossiers-là. Donc, apprenons à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous le connaissons, nous devons savoir qui il est, nous devons craindre Allah subhanahu Nous avons pris l'exemple du, président de la communauté, il a donné un ordre. Mais ce n'était pas parce qu'il est plus fort, c'est pas parce qu'il a, il, les gens et les a obligés à le faire. Non, c'est un règlement, c'est une loi. Mais Allah aussi a ses lois. Donc connaître Allah subhanahu craindre Allah subhanahu adorer Allah subhanahu convenablement, et s'en remettre totalement à sa volonté. Ne jamais lui associer quoi que ce soit. Et c'est comme ça que nous pourrons connaître Allah subhanahu wa ta'ala, conformément à ces hadith euh, qui nous a pris euh, euh, cet entretien. Nous osons croire que ce qui a été dit ici aura servi à quelque chose et que toutes les erreurs que nous aurions commises depuis le début jusqu'à aujourd'hui, des erreurs qu'involontairement nous aurions commises, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a pardonne, nous les pardonne. Et ce qui a été dit, juste qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agré, qu'il nous soit partagé entre tous, tous les croyants. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا illa anta أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Le temps ne nous a pas permis d'en parler de, du problème euh, que nous vivons aujourd'hui, mais ce n'est que partie remise nous osons croire que le vendredi prochain, Inch'Allah, nous allons commencer le mois de Ramadan. Tel est notre souhait. Allah, c'est toi qui as dit de te demander, Fadaouni nous te demandons, Allah, de nous montrer ce jour, ce premier jour, le dernier, le dernier jour de ce mois de Ramadan et que tu nous donnes la force de nous sacrifier complètement. Car le passage d'un mois de Ramadan dans le cours d'une vie, c'est l'événement le plus important. Rabbanah. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا بعد بيننا وبين أخطانا كما بعدت بين المشرق والمغرب ونقي قلبنا كما ينقى الثوب الأبيض من النار ربنا وتقبل دعاء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم